Bonsoir, bonsoir. Donc, euh, je m'appelle Pasteur Herbert. Je suis au Niger, au centre ouest de l'Afrique. Nous allons euh, donner continuité à la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible. Nous, nous avons commencé quelques jours passés. Nous voulons lire toute la Bible. Nous sommes juste en train de lire et c'est à Dieu à son Saint-Esprit de toucher le cœur de tous ceux qui entendent. C'est le dire Donc avant de commencer, je voulais prier avec vous. Euh, nous sommes dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions, nous te remercions pour la journée que tu nous as donnée. Merci de nous avoir pardonné, lavé, sanctifié. Merci. Merci Seigneur. Nous te supplions que ta parole touche le cœur de tous ceux qui écouteront de tous ceux qui entendra, Seigneur. Oh Dieu, que tu transformes leur vie, que tu leur la paix, le bonheur, le salut, la santé et le bonheur à sa vie à son foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans le livre des psaumes. Euh, le livre des psaumes. On a commencé en Genèse. Maintenant, nous sommes dans le livre des psaumes dans les chapitres ou dans les nombres 48, Somme 48. Donc nous allons <coughs> commencer par là. Amen. Euh, nous sommes l'église presbytérienne vivante au Niger et je vous invite, si vous êtes au Niger, à venir nous rendre visite à Bobiel, Amen. Euh, dans la ville de Niamey. Nous avons aussi l'église presbytérienne vivante à Tawa, euh, dans, 500 km d'ici de Niamey. Et nous avons aussi euh, notre église euh, presbytérienne vivante aussi à Dosso. Amen. Donc vous êtes invités à chercher et à participer de nos programmes. Amen. <coughs> Les 48, cantique Somme des fils de Corée. L'Éternel est grand. Il est, l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline. Joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté euh, septentrional, euh, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais euh, est connu pour une haute retraite, car voici les trois, c'était euh, les rois s'étaient concentrés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout stupéfait, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisir, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme euh, par le vent d'Orient qui brise les navires des Tarsis, ce que nous avions entendu dire nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu euh, euh, la fera subsister à toujours. Ô oh Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple, comme ton nom et comme ton nom, ô oh Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. ta droite est pleine euh, de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de, de tes jugements. Parcourez Sion, <coughs> parcourez euh, l'enceinte, euh, comptez ses jours, comptez ses tours Observe euh, son repas. Examinez ses palais pour les raconter à la génération future. Voilà euh, le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume 49 au chef des, ch des euh, des fils de Corée, euh, psaume. Écoutez ceci, vous tous peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, euh, riches et pauvres, ma bouche m'a fait entendre tes paroles sages et mon cœur a des pensées pleines d'essence. Et je prête l'oreille aux, aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre euh, mon, mon chat au son des harpes. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confié en leur bien et été glorifiés et, se glorifiant de leur grande richesse, ils ne peuvent se euh, racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. La, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lié. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages euh, meurent l'insensé et les stupides périssent également. Ils, ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux dont les noms sont honorés sur la terre, mais, mais l'homme qui est un honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est le voie, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans les séjours des morts. La mort en hein, fait sa pâture. Et bientôt les hommes droit les foules aux pieds, les beautés s'avanouissent, les séjours des morts et leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme de ce jour des morts, car il euh, me prendra sous sa propre protection ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ce trésor ne descend point auprès, après lui. Il, aura beaucoup euh, s'estimé heureux pendant sa vie. On aura beau euh, te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est un honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Somme 50 Somme d'Azaf, Dieu dit, Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil devant jusqu'au soleil couchant. Et des Sion, beauté parfaite, Dieu rame, resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence devant lui, est un feu dévorant autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Et le ciel publieront sa justice, car ce Dieu qui est juge euh, écoute mon peuple et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu, et ne sais pas ce n'est pas pour tes sacrifices que je fais des reproches, et tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas des taureaux dans, ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui meurt dans le champ m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui l'enferme. <coughs> Est-ce que je marche? Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois les seins des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Et tu dis aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche toi qui es les, qui, qui est les avis et qui jette mes paroles derrière toi. <coughs> Si, tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Euh, tu livres ta bouche au mal et ta langue est, est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre ton frère, tu diffames les filles, les fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu te que je te ressemblais, mais je veux te répandre et tout, et tu, et tout mettre sur tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peurs que je ne déchire saint et euh, que personne ne délivre. Celui qu'offre euh, pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Il y a celui qui veille sur euh, sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vient à lui, après que David fit aller vers Bathsheba. Ô oh Dieu, aie e pitié de moi dans ta, boue, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, fasse mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. <coughs> Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi et purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus, plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et, je, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, place toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur, réveille en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Enseigne, euh, j'enseignerai tes voies à ceux que les transgressent et les péchés reviendront à toi. Et les péchés reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu uses euh, euh, euh, voulu des sacrifices, <coughs> je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas au cœur brisé et compris. Réponds et répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis le mur de Jérusalem, alors tu agréeras euh, des sacrifices, des justices, des holocaustes et des victimes toutes tout entières. Alors on offre des taureaux sur ton autel. Psaume 52 au chef des chantres cantiques de David à l'occasion du rapport que Doeg, l'édomite, vient faire à Saoul en lui disant David s'est rendu dans la maison d'Achmelech. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran la bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invite que malice, n'invente que malice, comme un rasoir affilé. Fourbe, fourbe que tu es, tu aimes le mal plutôt que le bien, les mensonges plutôt que les droitures. Tu aimes toutes les paroles des destruction Langue trompeuse, aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te Il t'enlèvera de ta tente, il te déracinera de la terre de vivant. Les justes le verront, y auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur manquerie. Voilà l'homme euh, qui ne prenne point Dieu pour protecteur, mais qui se conduit en ses grandes richesses et qui triomphe et qui triomphe euh, dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Tu as agi et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Psaume 53. Au chef des chantres sur la flotte, et la flûte, cantique de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'y a aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu l'essence Ils dévorent mon peuple. Ils les prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il eût sujet d'épouvante, d'épouvante. Euh, Dieu euh, dispersera les os de ceux qui comptent, de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël, quand Dieu ramènera les captives de son peuple Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume 54. Au chef des chantres avec instrument à cordes, cantique de David. <coughs> Lorsque le Ziphien vient dire à Saoul, David n'est-il pas caché parmi nous? Ô oh Dieu, sauve-moi, par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance. Ô oh Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents <coughs> envers ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. anéantit il dans sa fidélité. Dans ta fidélité, je t'offrirai des bons cœurs, des sacrifices, je lui retourne, au Éternel, car il est favorable quand elle me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David, Ô oh Dieu, prête l'oreille à ma prière, il ne te déborde pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. j'ai ça et là dans mon chagrin et j'ai m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et le terreur de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'asseillent Et les frissons, les frissons m'enveloppent. J'ai dit, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. Voici, je fuirais bien loin. J'irai euh, séjourner au désert. Je m'échapperai au toute hâte, plus rapide que le vent, impétueux que la tempête. Réduit à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans, dans la ville la violence Il est querelles. Elle, elle en font joue et nuit les tout sur les murs, l'iniquité et la malice sont dans son sein, la méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quitte point ses places. Ce n'est pas un ennemi et qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi je me cacherai devant lui. Euh, c'est toi qui j'estimais euh, mon égal, euh, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce, douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu et que la mort les surprenne qu'il descende vivant au séjour des morts euh, par la méchanceté et euh, dans les demeures au milieu d'eux. Et moi, j'ai crié à Dieu, et l'Éternel me sauvera. les soirs, les matins et les midi, à midi, je soupire et je gémisse, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui est de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement et il ne craint point Dieu il porte la main sur euh, ceux qui étaient euh, en paix avec lui. Il viole son alliance, sa bouche est plus douce euh, que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus honteuses que l'huile qui l'huile, mais ce sont des épées <coughs> nues. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler euh, les justes. Et toi, ô oh Dieu, tu les feras descendre au rond de la fosse. Les hommes euh, des et des fraudes n'atteindront pas la moitié de leurs jours. C'est en toi que je me confie. Psaume 56 Au chef des chantres sur les colombes, des Lointain, hymne de David, lorsque le Philistin les saisit à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car les euh, hommes, car les hommes méchants, car les hommes méchants, Tous les jours, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Tous les jours, les adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme les hôtels Quand je suis dans la crainte et en toi je me confie, j'ai mais glorifierai en Dieu. En sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des, les des hommes. Sans cesse, il porte atteinte à mes droits. Il n'ont il non à mon égard que des mauvaises pensées. Il com complotant, il épie il est bien, il observe mes traces parce qu'il en veut à ma vie. C'est par l'iniquité qu'il euh, espère échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite le peuple. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton autre ne sont-elles pas inscrites dans ton livre Mes ennemis reculent au jour où j'écris, je sais qui Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je euh, t'offrirai des actions de grâce, car tu es, euh, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute afin que je marche devant Dieu à la lumière du vivant. Psaume 57 Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saoul, Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce, qu'elle, à ce que les calamités soient passées. J'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel et le salut, tandis que mon euh, persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les, lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Il avait tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Il avait creusé une fosse devant moi. Ils sont tombés. Mon cœur est affermi, oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je, chante, je, fait j'ai ferai retentir mes instruments. Réveille, réveillez-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'au niais. Jusqu'au Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Psaume 58. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. Est-ce que, est-ce donc en vous, tes ans qui vous rendez la justice? Est-ce que, est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur, vous comme vous consommez des iniquités dans les pays. C'est la violence de vos mains que vous euh, placez sur euh, la balance. Les méchants sont euh, pervertis dès, le sein, maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de, la, de leur mère. Ils ont un venin euh, pareil au venin d'un serpent et d'un aspic euh, sous euh, qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Oh Dieu, brise le, le dans, la bouche éternelle, arrache les mâchoires des lionceaux, qu'il se dissipe comme des eaux euh, qui s'écoulent, <coughs> qu'il ne lance que le euh, trait émoussé, émoussé qu'il périsse et se et comme un limaçon voix le soleil comme l'avorton d'une femme avant que euh, vos Chaudier, sente l'épine verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie et la vue, à la vie de la vengeance. Il baignera ses pieds dans les sangs des méchants, et les hommes diront, oui, il est une récompense pour les justes. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Psaume 59. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David, lorsque Saoul envoya cerner la maison euh, pour les faire mourir. Mon Dieu, Délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes du saint, des saints, car voici, ils sont au aguet pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent euh, contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'ai péché, ô Éternel malgré euh, mon innocence, il court, et il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, éternel Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour, pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles ils reviennent chaque soir, ils houlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des, des sont sur leurs lèvres, car qui est-ce que entend Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te manques de toutes les nations. Quelles sont quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ce qui me persécute. Ne le pas d'un peu des peurs que nous, de peur que mon peuple ne l'oublie Faites-le et euh, le erreur par ta puissance et précipite-le, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-le dans ta fureur, détruis-le et qu'il ne soit plus qu'il euh, euh, sache que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Il revient chaque soir, il hurle, il hurle comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils, ils ça et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. Somme 60. Au chef des chantres sur le lit lyrique, hymne de David pour enseigner. Lorsque fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens euh, du Tsoba, et que Joab revient et bâtit dans la ville de euh, du seul douze mille Édomites oh Dieu, tu nous as repoussés, t'es dispersé, tu t'es irrité, euh, euh les nous <coughs> relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple euh, des choses dures tu nous as abreuvés d'un vain euh, d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière euh, pour qu'ils s'élèvent à cause de la vérité, à cause de la vérité, afin que ta bien que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai six chiens, je mesurerai euh, la vallée des Sucrotes, à moi Galade, à moi Manassé, Ephraim et les repas de ma tête, Judas, mon, euh, Moab et le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Edom, pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Edom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui, et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec euh, nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera les, nos ennemis. Psaume 61. Au chef des chantres, c'est l'instrument à cornes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière du bout de la terre, j'écris à toi, euh, le cœur abattu. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis étendre, car tu es pour moi un refuge, une, tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, mais réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu exauces mes veaux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Agite des jours au jour du roi, euh, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement. Devant Dieu, fais, <coughs> fais que ta bonté et ta fidélité veillent <coughs> sur lui alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Somme 62. Au chef des chantres, d'après euh, j'ai du, du tout. Somme de David, oui, c'est un Dieu que mon âme se confie de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez vous sur un homme, chercherez-vous tous à battre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Il conspire euh, pour les précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme confie toi en Dieu, car euh, de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut, ma gloire, les rochers de ma force. Mon refuge est en Dieu et tout un, en tout un peuple, confiez-vous en lui, répandez-vous vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme, dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence, et ne mettez pas en vain espoir dans la rapide Et quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur Dieu a parlé une fois, euh, deux fois. J'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Psaume 63 Somme de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai dans toute ma vie, et je leverai ma main en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris et des joies sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma bouche, je médite sur toi pendant le veille de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans la, dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, à ta droite, à mes soutiens, euh, mais, ceux, mais ceux qui euh, cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie euh, des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche le menteurs sera fermé. Psaume 64. Au chef des chantres, Psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix. Quand j'ai gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, euh, de la troupe euh, bruyante, les ennemis uniques, ils édissent leur langue, langue comme glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer un cachette sur euh, un l'innocent il tire sur lui à l'improviste. Ils n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qu'il les verra. Ils méditent des crimes. Nous voici près des les et conçu la pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses frais, ses traits. Soudain, euh, euh, le voile frappe. Les voilà frappe. Leur langue a cause, a causé leur chute. Tout ce qui les voit secoue la tête. Tous les hommes sont saisis des craintes. Ils euh, publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tout ce qui est, tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Le au chef des chantres, psaume de David cantique, avec confiance, au Dieu, avec confiance, au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, les iniquités m'accablant. M'accable. Euh, tu pardonneras euh, nos transgressions. Heureux celui que tu choisisses et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple dans euh, ta bonté, euh, tu nous esance pas des prodiges, par des prodiges, Dieu de notre salut, exploit de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a affermi euh, les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise euh, les mugissements des mers, les mugissements de leurs flots et le tumulte euh, des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde euh, s'enfreignent de, de, tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles des richesses, la réseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le bleu quand tu la euh, fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mots, ses montes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe tu couronnes l'âne l'année de tes biens et tes pas, et pas versent l'abondance. Les plaines euh, du désert sont abrivées et les collines sont euh, saintes, saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent des brebis. Il, a, il est valé c'est revêtit, se euh, de fromets. Les cris des, des joies et des chats rétentissants. Somme 66. Au chef des chantres cantiques, psaume Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne pendant euh, toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom euh, venez contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable, grand, euh, quand il agit sur les fils de l'homme. Il euh, changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouissons en lui. Il domine et l'Éternel par sa puissance. Ses yeux Observe les nations que les rebelles ne s'élèvent pas. Un peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa, louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancela. car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer aux creuses comme l'argent tu nous as amenés dans les filets, tu as mis sur nous, sur nos reins, un pesant fardeau. Tu as fait monter des, hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en, en as pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je, t'offrirai des brebis grâce. un holocauste avec la graisse euh, des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je euh, raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à l'ouïe de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Euh, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, euh, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas rejeté euh, sa bonté. Psaume 67. Au chef des chantre avec instrument à corde cantique que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse lui sur nous sa face, afin de, que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut, le peuple te loue, ô oh Dieu, tous les, tous les peuples te louent, euh, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse car tu juges le peuple avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, oh Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu euh, nous bénit, Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre les craignent. 68. Au chef des chantres de David pour Psaume cantique. Dieu se lève, ses ennemis se, se dispersent, eux, ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, tu les dissipes comme la crainte se fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu, mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayeux le chemin à celui qui s'avance à travers les, les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui le père des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu dans ses demeures saintes. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les catives et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent euh, des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marches dans les déserts, euh, la terre tremble, les cieux se fondent devant Dieu, euh, les Sinaï euh, euh s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. tu fis tomber une pluie bienfaisante, oh Dieu, tu fortifieras ton héritage épuisé, et ton peuple établit sa demeure dans le pays que ta bonté, oh Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit au une parole. Il est messager euh, des bonnes nouvelles. Sont une grande armée. Le roi de l'armée, des armées, fuit, fuit, fuit, fuit. Et celles qui restent à la maison partagent le butin tandis que vous reposez au milieu des, au milieu des étables. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent. Et son plumage est d'un euh, jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant disperse dispersa le Troie euh, dans les pays. La terre devient blanche comme la neige euh, du Salmon. Euh, montagne de Dieu, montagne de basins, montagne au crime, aux cimes nombreux, nombreuses montagnes de Bazin. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résider. L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chats de l'Éternel se complètent euh, par euh, vingt mille, euh, par mille et par milliers. Le Seigneur est au milieu de les Sinaï et dans les sanctuaires. Tu as monté dans les routes. Tu as amené, tu as émené des captives. Tu as pris un don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable. Dieu nous délivre. Dieu est nous. Dieu. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance et l'Éternel, le Seigneur, peut euh, nous garantir euh, de la mort. Oui, Dieu brisera la tête euh, de ses ennemis, les sommets de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai des basins, je les ramènerai du fond de la mer afin que tu euh, plonges euh, ton pied dans les seins et que la langue euh, de tes chiens et sa part de l'ennemi. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments au milieu de jeunes filles battant du tambourin euh, bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendants d'Israël, Les sons euh, Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, les chefs euh, de judas et leurs troupes, les chefs des Aboulons, les chefs des Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton peuple, de ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'emporteront des présents et pouvant euh, l'animal des roseaux, la troupe euh, des taureaux avec le veau euh, des peuples qui se prosternent avec euh, les pièces d'argent et disperse le peuple qui prennent plaisir à combattre euh, des grands viens d'Égypte, d'Éthiopie, à court, le mets tendu vers Dieu, royaume de la terre, chantez à Dieu, chantez le Seigneur, chantez à celui euh, qui s'avance dans les cieux ces cieux éternels. Voici, il fait étendre sa voix, sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté sur Israël et sa force dans les cieux de ton sanctuaire, ô Dieu. Tu es redoutable, le Dieu d'Israël. Donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. sommes Somme 69 Au chef des chantres, c'est le fils de David, souviens, sauve-moi, ô oh Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir m'éteindre, je suis tombé dans un gouffre dans un gouffre et les eaux m'inondent. Et je m'appuie à crier, mon gossier se, dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les chevaux de ma tête, ceux qui euh, me haïssent sans cause, ils sont puissants ceux qui veulent me prendre et qui sont à fort mes ennemis, ceux qui je n'ai pas dérobé. Il faut que je les euh, restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et ma faute n'était te point caché euh, que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confiés à cause de moi Seigneur éternel des armées, qui sais qui te cherche, ne sois pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que euh, la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages euh, de ceux qui euh, t'insultent tombent sur moi. Et je verse des larmes, je jeûne, et c'est ce qui me tire l'opprobre. Je prends <coughs> un sac pour vêtements et je, <coughs> et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis, à la porte parlent de moi, eux, euh, les buveurs de liqueurs fortes me me mettent aux chansons. Mais je t'adresse, je t'adresse ma prière au Éternel, que ce soit les temps favorable, au Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant secours, Retire-moi de la boue et que je euh, n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que le flanc ne m'inonde plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se, ferme pas sur moi. Exauce-moi, éternel, car ton ta bonté est immense dans tes grandes compassions. Tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi euh, de m'excuser. Approche-toi euh, de mon âme. Délivre-le. Euh, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis et tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Euh, sous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre euh, me brise le cœur et je suis malade. Ah, j'atteins de, de, la pitié, mais en vain euh, des désolateurs, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Il m'entend du fiel il m'éteint du fiel dans ma nourriture. Il pour et pour apaiser ma soif, il m'embrase, il m'embrève des vinaigres. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein euh, de leur sécurité. Que leurs yeux euh, s'obscurcissent il ne voit plus et fait continuellement chanceler les reins. Répands sur eux ta colère et que ton, ardent, ton ardente fureur les atteigne, que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus euh, d'habitants euh, dans leur tente, car ils persécutent celui que tu, frappes. Il raconte les souffrances de ceux qui tu blesses. Agite euh, des iniquités à leur iniquité et qu'il n'ait point part à ta miséricorde, qu'il soit effacé du livre des vies et qu'il ne soit point inscrit avec le juste moi, je suis malheureux et souffrant. Oh Dieu, que ton secours me révèle. je chante, je célébrerai le nom de Dieu par tes cantiques. je les altérerai par tes louanges. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau euh, avec des cornes et des euh, sabots. Les malheureux euh, les voient et je réjouisse. Euh, et, se réjouissent, vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres et il, ne, méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre les célèbrent, les mers et tous ceux qui ici meurent, car Dieu euh, sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on apprendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage et ceux qui aiment son nom y aura euh, leur demeure. Le psaume 60. 70. psaume 70. Au chef des chants de David pour souvenir. oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. qu'ils soient honteux et confus, ce qui en euh, vole à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ce qui désire ma perte, qu'ils retourne en, arrière par un effet et leur honte, ce qui disent ha ha, que tout ce qui de cherche, soyez dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disse sans, disent sans cesse, exalte soit Dieu. Moi, je suis pauvre et indigent. Oh Dieu, hâte-toi et ma, ma faveur. Tu és mon, mon aide et mon libérateur. L'Éternel ne, ne tarde pas. L'Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confus, confondu dans ta justice. Sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et ce que moi. soit pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main des méchants, de la main de l'homme inique et violent. Tu es mon espérance. Seigneur éternel, en toi je me confie de ma jeunesse. De le ventre de ma mère, je m'appuie sur, toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse d'objet de mes, mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, Et toi, tu es mon puissant refuge, que ma bouche soit remplie de louanges, que chaque jour elle te glorifie. Eh, ne me, rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas, car mes ennemis de moi. Et ceux qui jettent ma vie se consultent entre eux, disant Dieu l'a abandonné. Poursuivre, saisir, scellé, il n'y a personne pour les délivrer. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens haute à mon secours. Qu'il soit confus, anéantis, ce qui envole à ma vie. Qu'il soit euh, couvert de honte et de pauvres, ce qui cherche ma perte. Et moi, j'espère toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car euh, j'ignore quels euh, sont Le Bon. Je dirai tes œuvres puissantes, Senhor éternel. Je rappellerai ta justice. La tienne seule. oh Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce euh, tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô oh Dieu, Mendam ma planche vs, afin que j'annonce ta força, afin que j'annonce ta força, geração presente, ta puissance à la génération futura, ta tá justiça, ó Dieu, attends tu jusqu'au ciel. Tu as accompli des grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau et je louerai au son de l'autre, et chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, sainte d'Israël. En se célébrant, j'aurai la joie sous les lèvres, la joie de mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Psalm 72. Ô Dieu, donne, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera, l'oppresseur. On te tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauche, comme des ondes qui arrosent la campagne. En ce jour, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et d'un fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles passeront des tribus. Et les rois de Saba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations les serviront, car il, devait, car il délivrera le pauvre qui crie, et les malheureux qui n'a point d'aide, il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres e, il affranchira de l'oppression e de la violência; Et leur sang aura du prix ses heures. Ils vivront, e lui donnera de l'or de Seba. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils les béniront chaque jour. les blés abonderont dans les pays où sont des montagnes, et leurs épines s'agiteront comme les arbres de Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme herbes de la terre. son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations les diront heureux. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Fin des prières de David, fils d'Ésaïe du 73, psaume de euh, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le corps pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mon pas était sur le point de glisser, car je porte envie aux insensés en envoyant le bonheur bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon, bon point. Ils n'ont aucune pente aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sein, des colliers. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sont de leur entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils râlent, râlent et parlent. Méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours rotos. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale leur abondamment. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment le très, le haut connaît-il il Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon chantement est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand je réfléchis là-dessus, pour m'éclairer. La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que je se pénétré dans le sanctuaires de Dieu et que je se pris garde au sort, fin, au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et le met en ruine. Et quoi Un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin fondaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'agisse et que je me sente percé dans des J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les, les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je eu, celle que toi? et sous la terre que je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon corps pouvaient se consumer. Dieu sera toujours le rocher, le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ce qui, s'éloigne de toi, périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles pour moi m'approcher de Dieu. C'est non bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Du psaume 74. Pourquoi, ô oh Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi irrites-tu et pourquoi t'irrites-tu contre les troupeaux de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis euh, autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Porte de pas vers ce lieu, constamment dévasté. L'ennemi a tout euh, ravagé dans les sanctuaires. Tes adversaires ont rougi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cogne dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coupe de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disent encore, traitons-le tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui chasse jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand, oh Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom. Pourquoi retires-tu ma main et ta, droite Sors là de ton sein, détruis, Dieu est mon roi. Dès le temps ancien, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par por puissance. Tu as brisé les tentes des monstres sous les eaux. Tu as écrasé la tête de crocodiles. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. de as fait jaillir de sources et des torrents. Tu as mis à sec de fleuves qui ne tarissent point. À toi et le jour à toi et la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'éternel et qu'un peuple incessé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âne de ta torturelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Ayez égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères, repères de brigades. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que les malheureux et les pauvres célèbrent de ton nom. Lève-toi, ô oh Dieu, défends ta cause. Souviens-toi d'outrage que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas de chameau de tes adversaires. Les, les tumultes sans cesse de ceux qui s'élèvent contre toi. do Salmo 75. O chefe de chantre lhe de Tulipá, do d'Azaf, Cantique. Nous te louons, ó oh Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. au temps que j'aurai fixé. Je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tout ce qui habite. Moi, j'affermis ces colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Eh, ne levez pas sur haute votre tête, ne parle pas avec tant d'arrogance, car ce ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert qui vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge la basse un et il élève l'autre. Il a dans la main de l'Éternel une coupe ou fermente un vin plein de mélange. Et il en verse, et il en tous les méchants de la terre. sous poivre jusqu'à la, jusqu'à la lune. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en honneur de Dieu de Jacob et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces de juste seront élevées. Psaume 60, 76. Le chef des chantres avec l'instrument à du psaume d'Azaph, cantique. Dieu a connu en Judas. son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, les boucliers, les pères et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été déployés ces erreurs, pleins de courage. Ils se sont endormis dès leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre tous ces valants hommes et ta menace, Dieu de Jacob. Ils se sont endormis, cavaliers et cheval. Tu es redoutable, ô oh, toi, peux te résister quand ta colère éclate. De haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est euh, tenue tranquille. Lorsque, lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre, l'homme l'homme te célèbre même dans sa fureur. Quand tu te revêtes de tout ton couronne, faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-le, que tous ceux qui les verront les les des dons au Dieu terrible. Il abat le l'orgueil des princes et il redoutable au roi de la terre. Psalm 77, au chef des chantres, de près ton psalm d'Azaf. Ma voix s'élève à Dieu et j'écris. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont entendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite en mon esprit est abattu. Tu tiens mes papiers en éveil et dans mon trouble. Je ne peux parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes euh, cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Et mon esprit me dit, le Seigneur rejetera-t-il pour toujours Mais sera-t-il plus favorable Sa bonté est-elle à jamais épuisé. sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? J'ai dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite de très haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai de hautes Oh Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les oiseaux t'ont vu, oh Dieu. Les eaux t'ont vu. Ils ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versaient de l'eau par torrent. Les torrents, les torrents retentissent. d'un les rues, et tes flèches voleurs de toutes parts. Ton tonnerre éclate dans les tourbillons. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre se mue et tremble. Je t'effrayas au chemin par la mer et sentier par les grandes eaux et tes traces ne font plus reconnu. Tu as conduit ton peuple comme entrepôt par la main de Moïse et de Aaron. Psaume 78 Cantique d'Azaph Mon peuple écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. j'ai publié la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cachons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future le, le louange de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opéré. Il a établi un témoignage à Jacob, en Jacob. Il a mis une loi en, Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et qui devenus grands Il en parlant à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils m'oublient, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent et, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne, ne fussent pas comme euh, leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas fermé et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm armés et tirant de l'arc tournèrent le dos le jour du combat ils ne garderaient point l'alliance de Dieu. Et ils refusait, de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qui leur, avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tisson. Il fendit la mer et l'or ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme, un, comme une muraille. Et il conduisit le jour par la nuit. Et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert. Et il donna à boire comme des abondant. Du rocher, il fit jaillir des sources et coller des eaux comme des fleuves. Mais il continue, mais il continue à pêcher contre lui et s'est révolté contre le très haut dans le désert. Il tente Dieu dans leur cœur en demandant la nourriture selon leur désir. Ils parlent contre Dieu. et disent, Dieu, pourra-t-il laisser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? les L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'enleva contre Israël, parce qu'il ne croit pas en Dieu, parce qu'il n'aurait pas confiance dans son secours. Il commande un mage d'en haut, et il ouvre les portes du ciel il fit preuve pour voir sur eux la monnaie, pour nourriture. il leur donna le blé du ciel. Ils mangent, tous les pains des grains. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans le ciel les vents d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme la, de la poussière et comme le sable des mers, les oiseaux alliés. Et il fit tomber au milieu de leur camp tout autour leur demeure. Il mange et se rassasiait abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Il n'avait pas satisfait leur désir. Il, avaient avait encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa des morts les plus vigoureux et il a battu le jeune homme d'Israël. Malgré tout cela, il continue, il continuera à pécher et ne croit point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs, leurs années par enfin Soudain. Quand il les frappe, frappe de mort, il les cherche, il les cherchait. Il est revenu et s'est tourné vers Dieu. Il s'est souvenu que Dieu était leur rocher, que le Dieu terreau était leur libérateur, mais il les trompait de la bouche et il lui mettait de la langue, leur corps n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur et se souvient qu'il n'était cher, un souffle qui s'en va et ne revient pas, que des fois il se révolté contre lui dans le désert, que, des fois il l'irritait dans la solitude. Il ne cesserait de tenter Dieu et de provoquer les saints d'Israël. Il ne se souvient par de sa puissance. Du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tusson. Il chargea leur fleuve en sang et ils ne pourraient euh, en boire les eaux et contre eux des mouches vermineuses qui les dévorent. Et des, euh, grenelles qui les détruisent. détruisent. Hein. Il livra leur récolte au au Sauterelle. Les produits de leur travail au sauterelles. Il fit périr leur vigne par la grêle et sicon mort par la gelée. Ils abandonnent leur bétail à la grêle, et leur troupeau à feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse. Une troupe de messages de malheur. Il donna livre cours à sa colère. Il ne sauva par leurs âmes de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte les prémices de la force sous les tente des chars. Il fit partir son peuple comme euh, des brebis. Il les conduisit comme un entrepôt dans le désert et les dirigea sur mains pour qu'ils fussent sans crainte et la mer euh, couvrit leur e les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant, devant eux, eux les nations, leur distribua les pays en héritage, et fit habiter dans leur tente les tribus d'Israël, mais ils tenteraient le Dieu très haut et se révoltaient contre lui, et ils n'observaient point ses ordonnances. Ils s'éloignaient et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent, ils tournaient comme un arc trompé ils les, par leur haute lieu, et ils inciteraient sa jalousie par leurs idoles. Euh, Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de silo la tente où il habite parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains des, de, l'ennemi. Et il mit son peuple à la merci, à la merci du glaive. Et il s'indigna contre son héritage. le feu dévora ses jeunes hommes, et ses vierges ne feraient pas célébrer. Ses sacrificateurs tomberont par l'épée, et ses veuves ne pleureront pas. Le Seigneur s'enlève comme celui qui a dormi, comme un héros quoi juger le vent. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph, et il ne choisit point la tribu d'Ephraim. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il a qu'il qu'il aimait, et il bâtit <coughs> <coughs> Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion, qu'il aimait. Il battu son sanctuaire comme le lieu élevé, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira de bergerie. Il le prit derrière les brebis qui allaitaient. por Louis Fer, Petro Jacob, son peuple, et Israel son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Psalm, Psalm eh, 79 Le psaume d'Azaf. Oh Dieu, les nations ont évahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de terre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture, aux, aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Et elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de, tout autour de Jérusalem. Et il y a deux personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, des moqueries et des rises pour ceux qui nous entourent, jusqu'à quand éternel, jusqu'à quand éternel, Tu t'irriteras-tu sans cesse et ta colère s'embrassera-t-elle comme le feu. répandit ta fureur sur les nations qui ne te connaissaient pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob et ravage sa demeure. Ne te souviens plus de nous, et ne iniquité passé et tes compassions viennent en route au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. secours, secours-nous, Dieu de notre salut, pour ta gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne-nous nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles Où est leur Dieu Qu'on sache en hein, notre présence parmi les nations que tu euh, venges, les le sang de tes serviteurs, les sang répandus que les gémissements des captives parviennent jusqu'à toi par ton bras puissant. Et sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins cette fois dans l'océan. Les, les outrages qu'ils t'ont faits Seigneur. Et nous, ton peuple, ton, troupeau euh, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrons éternellement, de génération en génération. Nous plouberons tes louanges. Psalm 80 Prête-l'oreille, berger d'Israël, toi qui confie Joseph comme un troupeau. Parle dans ta esplendeur, toi qui es assis sous les chérubins devant Ephraim, Benjamin et Manassé, révélez ta force et viens à notre secours. oh Dieu, révèle-nous Fais brûler ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de l'âme. Tu, tu les abrévus de l'âme à, à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se rallient de nous. Dieu des relève-nous. Fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait placer devant elle elle jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient convertes de son nombre et ses rameurs étaient comme des cèdres de Dieu. Elle était sans branche jusqu'à la mer et se rejetant jusqu'à le fleuve. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures en sorte que tu te passant la dépouille, les sangliers de la forêt la rongent, et des bêtes des champs en feu leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut du ciel et vois, considérez cette vigne, protégez ce qui ta droite a planté, et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Il périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu as choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi, faire nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu, désarmé, relève-nous, fais brûler ta face et nous serons sauvés. Psaume 91. Psaume 81. Au chef des chants sur la d'Azas. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob entonné des cantiques, faites résonner le tambourin, les harpes mélodieuses et les luttes sonnées de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour l'Éternel, euh, pour Israël, une euh, ordonnance du Dieu de euh, Jacob. Il en fut un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui me qui m'est inconnu. J'ai déchargé, j'ai déchargé son épaule euh, du fardeau et sa main ont euh, la, lâché la courbeille. Tu as euh, crié dans la détresse et j'étais délivré. Et je t'ai répandu dans la détresse du tonnerre. et j'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple, et je trouverai Israël, et je t'avertirai Israël. tu euh, puisais-tu euh, mon écouter, m'écouter, qu'il n'y euh, au milieu de toi point des dieux étrangers ne te devant les dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre la bouche et je les remplirai. Mais, mais euh, mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au, penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil on sait, si mon peuple, oh si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Et en instant, je confondrai leur ennemi, je tournerai ma main contre leur adversaire, ceux qui, ceux qui haïssent l'Éternel, les flatterai les flatterai. et le bonheur de l'Éternel euh, durerait toujours. Je les euh, nourrirai du malheur, du meilleur froment, et je les rassasierai du miel euh, du rocher. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu jusqu'à jusqu'à euh, quand jugerez-vous avec iniquité Et euh, aurez-vous égard à la personne des méchants euh, Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres euh, sauver les misérables et l'indigent. Délivrez-le euh, de la main des méchants. Ils euh, n'ont ni sa savoir ni intelligence. Et ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre ont, sont ébranlés. J'avais dit vous êtes euh, des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme euh, des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'emportaient, t'appartiennent. Amen. Donc euh, aujourd'hui, nous allons donner une pause, nous allons arrêter pour aujourd'hui et nous reprendons demain matin. je compte sur votre euh, présence aussi avec nous. Donc euh, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous, que la présence de Dieu se manifeste dans votre foyer en apportant la paix, la joie, la prospérité chaque jour. Et vous êtes toujours invités pour... Euh, participer dans nos cultes et dans nos activités à l'Église, mais continuez à écouter la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.